barkan ku da sake saduwa cikin shirinmu na matasa na tusa ala fada omicron micro na reine rabia mai kano Le bilan des inondations qui bouleversent le Niger depuis la fin du mois d'août sont 11 décès, 40 976 ménages touchés et 350 915 personnes touchées également. Un jeu le quotidien, le Sahel, du 15 septembre 2020. tun fara wata matasa sun yi ta amfani da intanet da kafofin sada zumunta kamar su facebook da whatsapp da kamanninsu don su yada labaru don neman taimako kila a le rôle des réseaux sociaux sur action wani taimako ne kuma suka samu bayan sun yada wannan labarun a bisa kan kafofin sada zumunta Quelques jeunes qui accompagnent ces sinistrés nous ont rejoint à la FADA, à la madarsa Karage, inda wasu yallan suka zo suka dawo da zama. Muna tare da Adamu il est le délégué des sinistrés de l'école Bagi Ça va délégué Ina Ça va, bien merci. Donc, nous sommes avec Abdou Gado, jeune activiste de Harubanda. Monsieur Abdou, ça va Voilà, on gode ma Sanunku da zuwa basakan shirin tusa à la FADA. Nous sommes également avec Kadi Yakuba, elle est sinistrée, elle vit ici dans le Medersa Karage. Ça va Kadi Ça nous sommes également avec Youssoufi Hamadou, il est le délégué des sinistrés de l'école Medersa Karagé. Ça va, monsieur Youssoufi Oui, ça va. Très bien. La la wallahi. To. Comment an kuka sani wannan fada ba mu yin ta babu rubric na don dike sarrafa mana kowane sati mhm. da shakata da muke yi da music mu kuma da chronic da Olivier yake zo mana da ita. Olivier ya ne? Kana lahiya? Ça va Ça va bien, je Toi, yo, mi zo mana da shi. Aujourd'hui, nous allons parler de la démocratie sur sur le plan digital. Ok, super. À tout de suite alors. À tout de suite, Ravi. Images, vidéos, réactions, messages, témoignages, collecte de dons, les inondations et leurs dégâts ont explosé Internet. Dès leurs premières heures, la baroudewa, sunita yao busakan yanar gizo busakan yanayin da wa'annan catastrophe bonsoir eh, les réseaux sociaux ont une grande utilité publique euh, surtout en cette période euh, d'inondation où ça a permis aux sinistrés de faire véhiculer l'information jusqu'à euh, l'échelle internationale. Euh, en même temps, ça les a permis aussi de lancer leur cri de cœur où <clears throat> les bonnes volontés ont pu prendre conscience et leur venir en aide. Et aussi, ça a permis à ce même sinistré encore d'utiliser ces mêmes réseaux sociaux pour pouvoir dénoncer certaines pratiques euh, malveillantes au niveau de la distribution des aides qui sont destinés aux sinistrés, notamment au détournement de quelques sacs de riz qui ont fait le tour de réseaux sociaux Bon, moi, euh, je me dis à y a plusieurs avantages, mais je me limite uniquement à un double objectif. Le premier, c'est de montrer la pitié euh, aujourd'hui, la désolation, les conditions dans lesquelles euh, vivent les sinistrés. Et le second, c'est, si vous voulez, la réaction de, cette pitié qui va permettre à certains généreux euh, donateurs de, réagir face à, cette euh, situation qui est vraiment un désastre total. À travers les réseaux sociaux, tu peux tout voir concernant l'inondation. Même si tu n'as pas été sur Facebook, tu vas voir des images touchantes, des images alarmantes, des vidéos alarmantes, tout ça là. Euh, oui, les réseaux sociaux aujourd'hui jouent pleinement leur, leur rôle. Aujourd'hui, on peut vraiment se dire Dieu merci que ces réseaux sociaux, que ces plateformes-là existent. Adam Idrissa, délégué des sinistrés de l'école euh, Baghe Oui. Quand vous entendez ces témoignages où on parle de l'importance des réseaux sociaux, le rôle qu'ont joué les réseaux sociaux dans la gestion de cette catastrophe et l'aide aux sinistrés, vous le sentez comment vous, à votre niveau euh, Moi, je dirais que les réseaux sociaux jouent un rôle très très capital parce que c'est à travers euh, euh, les réseaux sociaux que euh, l'opinion nationale et internationale ont su ou bien ont appris l'information et selon laquelle il y a eu des inondations ici au Niger et, que vraiment ces réseaux sociaux ont joué un rôle capital parce qu'à travers ça, il y a eu pas mal de bonnes volontés qui ont agi malgré que c'est à compte-goutte, mais Dieu merci, mm -hmm. un don mhm. n'est pas petit. Ok. Et... Youssef Amadou, vous êtes le délégué des sinistrés qui vivent ici à Medersa. Euh, y a jin question wannan ana zancen an sa a réseaux sociaux an sa a facebook an samu taimako facebook da wannan kin sun ba da sun sa an samu taimako kwakwaya ne ya aka yi abin bon assalamu alaikum d'abord alaikum salam euh, bonjour tout le monde bonjour euh, vraiment euh, nanga École Badje. Euh, je suis vraiment le délégué. Depuis euh, tout le lokacin da ruwa ya shiga mhm. da muna Donc euh, vraiment bani wa dans d'autres côtés en kawo en samu taimako saboda réseaux sociaux mhm. mais mu nanga comme école il est un peu isolé, il est un peu euh, dans le couloir. Hmm. Donc vraiment jusque-là, on n'a pas eu de l'aide euh, de Yazo zo Gomneti Gomnati ko Yazo Yazo zo ONG haka. il y a des bonnes volontés que vraiment Sunanangi nan yi kokarin su bakin su. To, D'accord. Yanzu, s'il y a un truc qu'on ne peut pas louper, c'est l'élan de solidarité. matassa de dama, sunu da damuwa, da kulawa. Abdu Gado, kar kake activiste ne, kuma kana tare da wa'annan matasan kana cikin wa'annan matasan yaya aka yi kuma sa fe zan dawo bisa kan tambayar da kuka yi mm. ma wayannan mm. eh, bisa aporcin da facebook rezo sosiyo suka kawo mm. cikin wanga al'amari da ya zo eh, al'amari ne yanzu za mu kira facebook rezo sosiyo media, sosiyo sun yi eh, mun gani unhwaninsu don eh, yanzu situation kin inundation kin duk abun da aka yi kowa da kowa ya sani eh, matasa sun gane cewa ka yanzu lokaci ne da ya kamata ta tashi ta kawo eh, gudunmuwan shi mm, mm. cikin tahiyan na kominote. basu que communauté kin yanzu mun san da cewa Euh, pour développer la communauté sai da matasa sun tashi da an gani wani abu ana dauko foto a sa bisa facebook koko a sa a tura shi bisa whatsapp ni akwai yawancin mutane da suka cire ni suka ce suna da eh, abun nan taimako da za su kawo ma eh, wayanda ruwa sun kinye mm. ni na kawo su nan ecole madarsa eh, ecole bage eh. donc ina cewa ecole madarsa karaje ba su samu ba promotion bisa réseaux sociaux kun san eh, réseaux sociaux akwai a nasaru suke cewa kuto a double tranchant an yi poste image kinka kaman an taba eh, mai ake cewa darajanka ka ba eh, mhm. me abun da muke nema ba ka muke nema mu ba mu taimako ne muke nema mu mutane a kawo musu taimako don don shi ne mu za mu cewa matasa eh, gudunmuwansu karhinsu sun sa komi da komi don vraiment mutane su samu taimako don kamun shiga cikin wanga al'amari da muke cikin yau abu ne da ya yi mu karhi eh, ya yi karhin ku ba eh. kun ji abinda abdugara ya ce su ne wannan facebook da su whatsapp da aka yi ta sawa abin da ya taimaka musu to amma yanzu ka mu ci gaba da hira tamu zan mu je bangaren dondi shi kuma mu ji cikin rubrikin tashi Nigérien, nigérien mes chers compatriotes une nouvelle maladie est parmi nous un mal aussi risqué que dangereux la covid 19 omar eza s'exprime أغرق يلا نين مسينا وادي كان كورونا انتيسس ماضن في الترنادو تخلاكات كوفيد كورونا تلي تنغاقي ما خلاك كورونا تلي يا سلاس تلي كورونا تلي تيدت ورقة بهو رونا Omar évolue dans une formation ESA, un artiste nigérien vivant à Toulouse. Il a été d'une manière ou d'une autre confiné ici au Niger depuis le mois de mars. Omar est sur l'émission Tous à la Fada sur votre rubrique Covid-19. L'artiste s'exprime pour apporter sa part de contribution. Omar Reza, on te souhaite la bienvenue sur la rubrique Covid-19, l'artiste s'exprime. Comment tu vas mon frère Je vais très bien. Et, la, formation Isa Isa va bien. Un album en 2013 Oui. Le premier Le premier, le second en 2015. Le second en 2015 eh Et 2021, bientôt un nouvel album Oui. Super. L'album à quoi déjà intitulé au mariage forcé. Au mariage forcé. Ayatat, ah, c'est le la à choisir. Alors, le premier album déjà de cette formation, c'est quoi déjà C'était Abadeya sur l'éducation des enfants et de Abadeya sur l'éducation des enfants. le deuxième album Al-Khair sur la paix aller sur la paix. Parce que sans paix, nous ne serons pas ici. Tu es déjà en blanc et moi je suis en Wakanda. Il n'y a pas tout si c'est la paix tout qu'on fait. Et sur l'émission, euh, n'est-ce pas tous à la fada, l'artiste s'exprime. Vous avez certainement compris, l'artiste il est pétri de talent. Ok, d'accord, il est engagé à fond, comme on dit. À un moment donné, il s'est avéré qu'il euh, était à Agadez. Euh, pendant la grande pandémie, tu as été confiné à Agadez. Explique-moi un tout petit peu comment est-ce que les choses se sont passées. Les choses se sont passées difficilement parce que c'était le blocage. Les gens ne pouvaient pas voyager. Euh, il s'est méfié au marché, il n'y avait plus la coutume qu'on avait, nous, de s'embrasser, de se donner la main, de se saluer aussi longtemps possible chez les Touaregs. Bien sûr. Tout ça avait disparu et moralement, ça faisait quelque chose, mais économiquement, encore surtout euh, plus. mais on, on, euh, sait que tu as une partie de ta vie à Toulouse, mais explique-moi qu'est-ce qui a fait en sorte que tu es là depuis le mois de mars je suis là parce que cette période de pandémie euh, a, éclaté dans le monde. Moi, j'étais là. Mais mhm. euh, après, j'ai vraiment contribué au respect de gestes barrières. Tu, tu as continué la sensibilisation J'ai continué la sensibilisation et j'ai continué à me confiner aussi parce que je ne vais pas m'obliger ou obliger à rentrer, même si j'avais vraiment sur cette période de choses à faire là-bas en France, que j'ai laissé tomber et contribué à mener ma part aussi dans le respect des gestes barrières, d'où j'ai composé cette chanson Corona. Voilà, on allait en venir. La chanson est sur la Covid-19 qu'on vient à l'instant de kiffer en début d'émission. J'ai beaucoup aimé, mais je voudrais avoir le contenu. Qu'est-ce que tu veux dire hein? Qu'est-ce que tu as déjà dit dans cette chanson dans cette chanson, déjà le refrain de chanson dit Corona Tillé. Ça veut dire Corona existe. Corona existe. Ça veut dire que sincèrement, ça existe. Sincèrement, ça existe. Voilà. C'est ça le refrain. C'est ça le refrain. Et, dans, le texte, qu'est-ce que tu racontes Dans le texte, mon premier couplet, j'ai dit, euh, je j'ai sensibilisé au fait que tout ce qu'on touche, mhm. on se lave les mains. Mhm. Et euh, de respecter la distance. La euh, distanciation. et là, là, on continue à respecter. les... Voilà, qu'on soit au marché ou dans le baptême ou un peu partout. Parce que le virus continue à circuler continue à circuler. Okay. Et, euh, et, je dis qu'il n'existe aucun remède à part le respect des gestes barrières. On a un message fort à passer sur l'émission en Tamachek. Eh bien évidemment, je veux un message pour dire, et eh bien évidemment, à nos amis qui kiffent cette émission un peu partout, hein, qui parlent le Tamachek, et pour leur dire que le virus continue toujours à circuler, ils n'ont qu'à faire gaffe. Alors, tu vas me faire du Tamachek sur l'émission don di euh, ad euh, shirikatan cin da sahat kula corona ruwa da tulle a ruwa da gale ka da cini dumaran nuku da da cini dumaran da adagan ta tourna le basse ta daga dine ta ruwa daga yaka alors on va faire ce cri dis-moi le cri là ça te dit ay ñey zay al boray da way boray boro men kamba ñum gangwa ne bin masitay respectons les gestes barrières connaît Retour à la FADA. Aujourd'hui, nous sommes avec Adamou Idrissa, le délégué des sinistrés de l'école Bagisalein, Kadi Yakuba. Elle est sinistrée ici, à l'école Medersa de Karagé. Abdougado, jeune activiste de Harobanda, Youssifi Hamadou, délégué des sinistrés qui vivent ici, qui sont installés ici à l'école madrasa Karagé. Aujourd'hui, dans la FADA, il est question du rôle et de la contribution des réseaux sociaux dans la gestion des inondations. Quel avantage pour les jeunes Yaya ne matasa a dit unhani da wannan Facebook kin da WhatsApp kin y a taimaka ma wa'annan bayan Allah wanda suke cikin wannan halin. qui kuba ina so in sani. To ku kuma kuna iya kwatanta muna alaran bai ga poster Facebook bon. La irin man bai Amare amma dai muna da un zai goga san ba. Oh. oge dimo kan matka haro bandu wa hun ba ni nyai zo sara dina cabin sai ga maduri mhm, mhm. amma irka madarsa akaraja kaso bor kul sina kam fon girga girno ga aksinai ba patarmi kadai bor fola kandir sai mosa shera akan borfo kandir sai gari in ga mogo har labuwa na irano adi madarsa akaraji borai goga tabi oh. in ga no an gari samba borai sai akan dir sai mu sanki cilo sanki cilani mm. abanda asini bor kul kan kandir sai taimako sa kana ji borai goga ta bi gumo to yanzu dai kun duka dai ta ce dai ba a yawan sa su a facebook ba amma kwanakin bayan doke su an sa su kuma da aka sa su hallo wani dan bawan Allah da ya ga bidiyo ma ya kawo musu abincin ci amma dai suka ce da hayan suna shirin taimakon hallo in dawo gare ku Adamu Idrisa delegate kin sinistre de l'école bagi salai ko kuna yi kwatanta muna kuna yi kwatanta ma shirarin mu wani irin amfani ne kuka yi da su wannan rezo sosiyo kin ko ma a utilize da rezo sosiyo. dans ce contexte, vraiment, nous avons utilisé les réseaux sociaux, premièrement, pour faire part de la situation dans laquelle nous végétons. Mm. Et à part ça, pour que au moins les gens puissent venir nous aider. Mm, mm. Et comme je venais de, le dire dans mes propos introductifs, et Dieu merci à notre niveau, parce que j'avais dit qu'un don n'est pas petit. On a réussi, mais il n'est jamais trop. Euh, si vraiment il y a des bonnes volontés qui veulent agir, qu'ils viennent nous aider. Mais Dieu merci vraiment c'est qu'on a eu. Au moins, les gens arrivent à vivre la solidarité qui se trouve entre nous. Hmm. Que même si c'est un grain de riz, on arrive au moins à, à dispatcher ça entre nous. Ouais dites-nous les résultats auxquels vous êtes parvenus grâce à cette communication de kuka sur Facebook da kingin kafofin sada zumunta. Ni da kaina yawancin mutane sun kire ni, et c'est pourquoi za ni kema école madarsa hmm. Sous publié publier bisa réseaux sociaux bisa Facebook. Hmm. Sous yi publier kuma su yi invité masu dauko photo su invité a y interview for example wani ya kire ni daga ghana ta gani wasu mace biyu da nan nan lekol madarsa karaji mm. sai bisa rezo daga ta su mm. donc mm. rezo sosiyo kai ne ka sa su uh, non don ya sa su oh, oh. a donné mon numéro uh, comme euh, un intermédiaire pour, pour retrouver la femme. mm. donc ina dit les réseaux sociaux yanzu sont da importance et c'est le moment important surtout pour ces sites là sous sa image subi ces réseaux sociaux à gagner ce suma hmm. parce que le, site est dans un couloir ba a gane shi ouais, ba a ba hmm. wanga école eh, karaje ne bisa eh, babban hanya mais école karaje école madarsa tsakanin su babu bai kai Donc vraiment, c'est une école où il y a des sinistrés, il y a jusqu'à 201 ménages, ouais. comme le dit le délégué, je le répète. Ouais. Il y a kamata a taimake On a tout perdu dans les eaux là. Cikin wanga babu abin da da su. Don ya kamata a taimake Et souvent, ina, ina ke musu yau, à partir euh, d'aujourd'hui, sous sa imajikinsu su yi interview su gayi abun da suke so comment kan mu diba yanzu en sa imaj kina c'est fini en tava mutunci na mutuncin ka ba ah? mm, mm, mm. donc mu gani abun da ya zo tilas donc c'est vraiment faire euh, le lobby pour que ce site-là soit appuyé aussi. Soit appuyé aussi. Allah ya taimaka mu dai za mu yi kokarin mu. Zan mu shirari wani matashi shi kuma Europe yake. To shi dai wannan matashin c'est grâce à Facebook et Twitter et les WhatsApp qu'il a su qu'est-ce qui se passe ici har yayi lansan kanyot bisa kan réseaux sociaux kin aka tattara kuɗi turarin mu ji shi kuma témoignage kin nashi En fait, je peux dire que grâce aux réseaux sociaux, euh, par exemple, nous qui sommes à l'extérieur, c'est grâce aux réseaux sociaux que nous avons pu voir qu'il se passe quelque chose de dramatique au, Niger, euh, notamment sur les différents partages sur WhatsApp, sur Facebook et sur Instagram. Donc on s'est rapidement rendu compte de, de l'ampleur euh, de ce qui est en train de se passer au Niger. Et ça a permis aussi tout de suite à tout le monde de se mobiliser euh, d'essayer donc d'apporter nos aides aux, différents aux victimes aux victimes de ces inondations là. Euh, par exemple, nous au niveau de Wassan Africa, on a rapidement lancé une cagnotte euh, sur Eloasso qui nous a permis de récolter très rapidement, de façon simple et rapide, à peu près 500 euros qu'on a envoyé pour aider les artistes sinistrés. Youssefi, Hamadou ta ji shi dai wannan matashin grâce aux réseaux sociaux a can Europe France inda yake ya samu ya tattara kuɗi kan ciwon tansa ça te, ça te donne quelle idée, toi Vraiment, si la, la, personne a une bonne intention, vraiment, il agit d'adi. Ouais, ouais. Vraiment, parce que ko mutum ko yayi magana ne bai kawo shi ba mun san da yana da niyya duk mai taimako Allah ya bashi albarka Allah ya ba mu sa kawai wannan situation, vraiment, on est en train de gérer ça comme ça. Tout compte fait, c'est pas et eh, on est là pour l'instant pour voir ce que ça va donner. Mais je, uh-huh. voudrais eh, rebondir sur sa question. Uh-huh. Eh, c'est un frère que je connais. Il a gagné chez un bis Facebook. Hmm. Ban ya cette situation ben, sur sashi Facebook. Certainement, dans un cas ake ana nuna mutane bisa facebook maroko ne ake dan shi ne sartan naman bai sa su bisa facebook me ina dibin wanga hali. kowa bai yi abun nan ya shiga cikin wanga hali abun da allah ya kawo ne kamar yadda muka gayi abun da allah ya kawo ne dole a karbe shi da hannu biyu don a ringa nan a yi promotion cinsu bisa facebook direktaman ne za a kira wayanda suke da eh, za su kawo taimakonsu za direktaman za su kira suke ecole madarsa ne muna nema mhm. akwai wasu maki biyu ko eh, eh, namiji da ya yi abun nan video haka haka muna da taimako da za mu kawo mishi yawa ka gane ku koma ogana aka yi sino mm. c'est quelque chose que si ya san da il me voit chaque fois sur le net mm. donc cikin wanga situation Rua donc c'est dans ça moi j'ai perdu tous mes téléphones sont tombés dans l'eau parce qu'on est en train de lutter voir parce que jusqu'à l'eau que de Monsanto vraiment l'eau là c'est plus fort que nous donc euh, c'est là akwai aiki sais, délégué, moi, ma suis téléphone qui ma babu oh Bon, là, il publie. non ah c'est bon j'ai déjà ah, payé un téléphone j'ai payé un téléphone neuf dieu merci to c'est bon kun ji abin da wa'annan matasa suka ce facebook kin da whatsapp kin abun zuwa ne wurin zuwa ne da a samu taimako to yanzu mu ɗan shakata kaɗan da wakar jarumai ta garzalimi ko zan mu dawo say your fada inda muke muna hira tare da wa'annan matasan da suke bisa kan cikin sinistire kin mai darsa a nan unguwar karage muna tare da Adamu Idrissa du délégué de sinistre de l'école Bagé nous sommes avec Abdou Gado jeune activiste de Harubanda Kadi Yakuba sinistre in mai darsa in karage da yusuf hamadu délégué kin waɗannan sinistre kin na mai darsa yau a la fada il question du rôle et de la contribution des réseaux sociaux dans la gestion des inondations, notamment les aides sous des wannan imajikin da muke gani suna yawo bisa facebook da video kin an samu taimako da aka yi su ko ko yaya ne tambayar mu ta karshe da zamu yi me yasa kuka zabi internet tunda akwai su tele akwai su radio ya aka yi matasa suka yi zaɓin internet suka yi zaɓin facebook adamu idrisa wala euh, les gens ont posté ces, euh, ces mystères si je peux l'appeler ainsi sur les réseaux sociaux parce que les gens suivent les réseaux sociaux mieux que les télévisions. Parce qu'il n'y a pas maintenant avec l'évolution de la technologie, même la personne qui est dans un village le plus reculé a un téléphone où il fait WhatsApp, euh, Facebook et autres. C'est-à-dire les gens donnent plus d'importance aux réseaux sociaux qu'aux télévisions. C'est pourquoi les gens ont la meilleure façon, la meilleure communication de propager une information maintenant à la minute près, c'est de passer ça sur les réseaux sociaux. d'accord to in dawo gare ka eh, abulgaro ni za ni kewa eh, rabi yanzu eh, ana ce musu la media traditionnel hmm. kaman su restriction gare su hmm. yanzu in mun yi kuka in bai dadi bai musu dadi ba ba su gode shi mais bisa réseaux sociaux on peut dire kaman abun da muke nihi ne za mu gai ah, abun da muke hatawa ah, za mu gai donc ça peut passer donc c'est pourquoi rezo sociaux in kun gani kaman yadda ya gai kuma yawanci mutane suna da smartphone ka in kana da smartphone fasilaman kana da facebook kana da eh, whatsapp kana samun information eh, ko Bonsoir à tous et bonsoir à nos auditeurs et auditrices. Bonsoir. À l'ère du digital, que faut-il comprendre de la démocratie Quel comportement adopter sur les réseaux sociaux Ravi sur les réseaux sociaux, c'est des appels à l'aide, c'est des appels à contribution, c'est des appels à la solidarité. Eh bien, la démocratie, ces derniers temps, nous sommes en de en train de préparer les élections et pour moi, c'est judicieux de parler de la démocratie sur les réseaux sociaux. Et c'est de cela que nous allons parler dans la chronique de ce soir. À l'ère du digital, que faut-il comprendre de la démocratie Quel comportement adopter sur les réseaux sociaux C'est la réponse à ces questions qui constituent les idéaux de la démocratie digitale. Et ce soir, c'est de cela que nous allons parler. En Afrique, Internet est en train de devenir un outil de communication clé. En totalisant plus de 400 millions d'internautes selon Internet World Start, le continent présente un potentiel important pour le développement de l'activité numérique. Aujourd'hui, cette plateforme constitue le premier canal préconisé pour les professionnels en matière de stratégie de communication et de la gestion de la e-réputation. Dans cet espace virtuel où le politique est hyper présent, la démocratie est alors digitalisée. Associer la démocratie au digital, ce n'est pas aussi extraordinaire que cela. Il suffit de voir les choses de près. Les débats politiques sont déjà présents sur les réseaux sociaux. À longueur de journée, les situations politiques sont débattues que ce soit en français, en zarma, en tamashek ou bien en hausa, les populations discutent de la situation politique de leur pays. Quant aux hommes politiques, ils dépensent des sommes importantes pour leur communication digitale afin de véhiculer les idéaux politiques et justifier certaines actions démocratiques. Quant aux populations, elles tombent souvent dans le piège des lois, des tests de loi qui régissent le cybersécurité. Au Niger, on se souvient encore des interpellations de certains activistes de la société civile. Comme quoi, la démocratie à l'ère du digital n'est pas aussi différente que celle connue de tous. Sanctions et restrictions pour certains, fake news et propagande pour les autres. Pour mieux encadrer le débat démocratique sur les réseaux sociaux, une association nigérienne se donne la charge de modérer le débat démocratique sur les réseaux sociaux en luttant contre les fake news et c'est cela la démocratie digitale. Chers auditeurs et auditrices de l'émission Tous à la Fada, pour la conclusion, on écoute Mossi Moukaïla, le président de l'association des jeunes diplomates et politologues, initiateur de la campagne Démocratie digitale. Dans ce programme, nous avons un certain nombre d'activités. Là, par exemple, nous avons euh, une activité que nous avons intitulée euh, Que savez-vous du code électoral Là, cette activité va consister à faire quoi euh, C'est d'abord euh, la diffusion de certaines dispositions du code électoral. On va les décrypter au grand public et donc on les diffuse. Je vous prends juste un simple exemple le code, la disposition qui parle des campagnes électorales. Là, il y a beaucoup de, de, de, de citoyens qui ne connaissent pas ou bien qui ne maîtrisent même pas cette disposition et pour eux, on peut se lancer euh, dans des campagnes électorales euh, à tout moment. Donc là, il faudrait prendre notre temps et travailler là-dessus, décrypter le code électoral, parce que c'est même c'est, d'abord le cadre euh, juridique qui régit les élections à venir. Donc il faut le comprendre d'abord pour permettre aux citoyens de faire des élections paisibles. Merci Olivier. Merci à tous d'être là du début jusqu'à la fin. Merci aussi à toi Ravi. Bye bye. Bye bye, Olivier. C'est la fin de tout ça, la FADA français Hausa. Aujourd'hui, à la FADA, il était question du rôle qu'ont joué les réseaux sociaux dans la gestion de cette catastrophe. Comment Andawa et Namatason, à cacher sous des gaskiya Facebook, de WhatsApp, Sunny et Dansu on a parlé du rôle qu'ont joué les réseaux sociaux dans la gestion de ce qui les touche aujourd'hui les inondations mhm. ici à l'école Médersa de Karagé ils ont encore besoin d'aide ils n'ont pas été très présents sur les réseaux sociaux tu vas parler de quoi je veux parler de l'impact des réseaux sociaux sur les sinistrés des inondations ici au Niger